Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, nangendef, mayenak jam, silo lennek, dalenak jam si sama benelu vidéo, ngir jangum olof. Man Ludovic la France la Sénégal d'afman nech. leçon Wolof. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est vocabulaire de la médecine, de la maladie, donc comment dire qu'on a mal, comment dire qu'on est malade, comment dire qu'on a mal au ventre, qu'on a mal à la tête, etc. Donc je vais vous montrer un petit dialogue euh, que j'ai préparé en Wolof et on se retrouve tout à l'heure pour les explications. Ah. Docteur, Nangadef, Magnifique, Mandama Dangafébar depuis quand Gafébar depuis dem la feebar lan moo lay sama bob de métti ak lan damay hmm, dangay tour duma tour de mësuma tour hmm, foo Chiben ci ben village La Duk Fanga amnayo Amna yo. Wow. Amna yo you berry, sibiru dama sibiru lan moo danga wara garab nyet yon bes Bunek. So lolu, lolu, Ah, di Ah, ah docteur Dina ko def babenen yon. yon. Alors pour commencer, pour dire je suis malade, on dit dama febar. Dama febar, c'est je suis malade. Si je veux dire tu es malade, ce sera danga febar. Il est malade, dafa febar. Ici, dans le dialogue, j'ai dit Dama febar, ça veut dire je suis un petit peu malade. C'est comme pour dire par exemple je suis un petit peu fatigué, je vais dire Dama son. son. Ensuite, pour demander à quelqu'un depuis quand es-tu malade, les Sénégalais en fait vont souvent utiliser un, mélange de français et de wolof. Ils vont dire depuis kagne ga febar. Depuis kagne ga febar, ça veut dire depuis quand tu es malade. Kagne, c'est un adverbe, ça veut dire quand. Donc depuis Kany Ngafebar, depuis quand tu es malade, Damafebar, je suis malade depuis Demb. Damafebar depuis Demb. Donc ça c'est un mélange français et wolof puisqu'on va utiliser le mot depuis. Mais si vous dites ça, les Sénégalais vont tout à fait comprendre ce que vous voulez dire. Damafebar depuis Demb. Je suis malade depuis hier. C'est comme pour demander par exemple depuis quand es-tu ici On va souvent utiliser depuis kagne Yangfi. Depuis quand yangfi, depuis quand tu es ici Magnifi, depuis Demp. Je suis ici depuis hier. Magnifi, depuis Demp. Man dama xawa febar. Danga febar. Depuis Kang nga febar. Depuis Demp la febar. Lan mo meti Sama bob day meti. Ensuite, le docteur pose la question Lan meti Lan Moulaimeti, c'est une question, ça veut dire qu'est-ce qui te fait mal lan moulay meti. Euh, l'adverbe lan, ça veut dire quoi Lan moulay Alors là, j'ai fait une petite erreur de prononciation. Il faut dire lan moulay meti. Lan moulay on ne dit pas lan moulay On dit lan moulay Donc il y a bien deux O à mot. Une autre version de cette question qui est très souvent utilisée au Sénégal, c'est LULAIMETI. L'ulaimiti, c'est une version contractée de la question parce qu'en fait, on va remplacer l'an mou par lou. Cette contraction est très souvent utilisée en Wolof. On remplace l'an mou par lou. Donc au lieu de dire l'an mu laimeti, on va dire lou laimeti. Ça veut dire qu'est-ce qui te fait mal. Le verbe meti, ça veut dire soit faire mal, quelque chose qui vous fait mal, soit être difficile. Dafam meti, ça veut dire c'est difficile. Dafam meti et la question Lan Moula c'est la même structure que la question Lan Moula Dal. Lan Moula ça veut dire qu'est-ce qui t'a atteint Qu'est-ce qui t'arrive Lan Moula Alors là, j'ai refait la même erreur de prononciation. Il faut pas dire Lan Moula mais il faut dire Lan Moula Dal. Donc c'est bien M-O-O qu'on prononce Mo. Donc Lan Moula Dal et non pas Lan Moula Dal. Et euh, la forme diminutive de cette question, c'est l'ouladal. Euh, qu'est-ce qui t'arrive Lou Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé L'anouladal. la Qu'est-ce qui t'a atteint Ensuite, on a le patient qui répond Ça m'a bop daimiti. Ça m'a bop daimiti. Ma tête me fait mal. Ça m'a bop De Daimiti, c'est la même chose que dafai meti. Euh, grande voix, fois, c'est une forme diminutive. Donc, au lieu de dire dafai meti, ça fait mal, on dit daimiti. Ça m'a bop daimiti. Si je veux dire euh, j'ai mal au ventre, je vais dire ça m'abir daimiti. Ça La question fulaimiti, ça veut dire où est-ce que ça te fait mal Fulaimiti, où est-ce que ça te fait mal C'est une forme contractée de fan mulaimiti. Fan mulaimiti, l'adverbe fan, ça veut dire où. Donc, soit vous dites fan mulaimiti, où est-ce que ça te fait mal Ou alors fulaimiti, ou est-ce que ça te fait mal C'est pareil. Hum, dangai tour, de. Ensuite, on a le docteur qui demande Dangai tour, ça veut dire est-ce que tu fumes Est-ce que tu as l'habitude de fumer Dangai tour, le fait de rajouter un Y à danga, donc on dit dangai tour, ça sert à exprimer l'habitude, le, fait d'une action qui se répète, qui est habituelle. Donc dangai tour, est-ce que tu fumes Est-ce que tu as l'habitude de fumer Si je disais danga tour, ça voudrait dire tu as fumé. Mais là, je dis danga et tour. Est-ce que tu fumes Est-ce que tu as l'habitude de fumer Donc, par exemple, si je dis euh, dama et tour, ça veut dire je fume, j'ai l'habitude de fumer. Mais dama tour, c'est j'ai fumé. Donc voilà, le fait de rajouter y, c'est pour exprimer une habitude, une action qui se répète. Ensuite, on a le patient qui répond duma tour, donc ça veut dire je ne fume pas, duma tour. Et ensuite, il dit me sous tour. Me tour, en fait, c'est le verbe meus. C'est un verbe qui est très utilisé en Wolof. Ça veut dire euh, avoir déjà fait quelque chose. Must, avoir déjà fait quelque chose. Donc par exemple ici, euh, le patient dit me sous tour. Donc il, utilise le verbe me à la négation. Me sous ma, me souma tour, je n'ai jamais fumé. Si je voulais dire j'ai déjà fumé, je dirais me tour. Me tour, j'ai déjà fumé. Mais me sous tour, je n'ai jamais fumé. ET hum, tour. Dumatur de Mesumatur Fouduk, hmm, foo hmm, village la dëkk Fangaduk, nga Wow, am hmm, Limotach, alors ensuite pour dire les moustiques on dit YOYI, ça c'est les moustiques AMNAYO, ça veut dire il y a des moustiques AMNAYO. Et Amnayo Yuberi, ça veut dire il y a beaucoup de moustiques. Amnayo Yuberi. Et en fait, les moustiques euh, au Sénégal sont souvent à l'origine d'une maladie qui est assez courante, notamment pendant la saison des pluies, donc de juillet à août. Cette maladie, c'est le paludisme. Et en Wolof, le paludisme, on dit Sibiru. Donc, par exemple, si je veux dire j'ai le paludisme, je vais dire Dama Sibiru j'ai le paludisme. Dama Sibiru. Danga Sibiru, tu as le paludisme. Danga Sibiru, tu as le paludisme. Fangadok, amnayo. Wow, amnayo yuberi. Limotach gafebar. Danga Sibiru. Dama Sibiru. Lan mosibar. Danga warajol garab, nietiyon bes bunek. Sodefe lolu, dingatane. Ensuite, pour terminer, on a deux expressions un petit peu compliquées. La première, c'est la question l'oussibar ».« L'oussibar », c'est la forme contractée de lan mousibar. Donc, au lieu de dire lan mousibar, on va dire bar". Et ça veut dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bien. L'adjectif bar, ça veut dire bien, bon. Par exemple, quand je dis barna, barna, c'est quelque chose que vous entendez très souvent. Barna, ça veut dire c'est bien, barna. Donc, bar" qui est-ce qui est bien L'âne ou loup qui est-ce qui est bien Et donc le, docteur répond Dangawara jol, garab, tu dois prendre des médicaments. Dangawara jol, garab. Le verbe war, ça veut dire devoir. Donc euh, par exemple, je dois prendre des médicaments. Damawara jol, garab. Tu dois prendre des médicaments. Dangawara jol, garab. Et ensuite, il dit Nietiyon nietion bes bunek, deux fois par jour. nietion deux fois. bunek, euh, chaque jour. Bes, ça veut dire jour. Et nek, c'est un verbe qui veut dire se trouver. Donc littéralement, ici, on pourrait traduire ça par euh, chaque jour qui est. Bes Chaque jour qui se trouve. Nietiyon, bes Deux fois chaque jour. Et ensuite, il dit SO DEFE LOLU DINGA tane donc ça ça veut dire si tu fais ça tu guériras tu iras mieux donc ça c'est une structure en si qui est assez courante en wolof si on veut dire si tu fais ça tu auras ça on utilise so ensuite on met le verbe et on rajoute un e au verbe donc ici le verbe c'est def le verbe faire def donc si tu fais ça so defe lolu dinga tane ça, c'est du futur. Tu iras mieux. Le verbe tanner, ça veut dire euh, je vais mieux, j'ai guéri. Par exemple, si je veux dire euh, je vais mieux, je vais dire tanena. Tanena, ça veut dire je vais mieux, j'ai guéri. Donc ici, si tu fais ça, tu iras mieux. So lolu dinga tané. Dinga tane, c'est le futur. Voilà, c'est tout. Donc, euh, bah, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que maintenant vous savez dire euh, je suis malade, j'ai le paludisme, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, etc. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que le rythme des vidéos en ce moment est pas génial, génial. Je vais essayer de faire des vidéos plus souvent, mais voilà, euh, chaque vidéo ça prend pas mal de temps. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me proposer. Et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Babenen.